Est-ce qu'on a constaté une reprise euh, de la fréquentation de cette maternité avec euh, la reprise des heures normales de travail euh, Oui, la fréquentation a augmenté. Elle a nettement augmenté depuis que les heures de travail sont redevenues à la normale. quand vous dites augmenter, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre, par exemple, de femmes qui viennent par jour et quels sont les services les plus prisés Bon, ça, ça va être un peu difficile parce qu'on a, on a beaucoup de services. Par exemple, nous avons la vaccination, nous avons la salle d'accouchement, nous avons la consultation prénatale, nous avons la consultation du nourrisson et nous avons la planification familiale. Nous avons aussi les urgences. Et c'est pour vous dire que, euh, en général, ici chez nous, dans les services de santé, on compare. Par exemple, nous sommes au mois de juin. Pour savoir, on ne peut pas comparer juin et mai. Non, on compare juin 2020 et juin 2019. Oui, parce que, par exemple, en termes d'accouchement, il y a des moments où c'est la haute saison, il y a la basse saison. Là, les accouchements commencent à augmenter. Nous avons un pic aux alentours de septembre, août, septembre, octobre. Et quand on compare, par exemple, juin de l'année passée à juin de cette année, c'est à, peu près à peu près les mêmes chiffres. Alors, ça veut dire que cette situation de, de la COVID-19 n'a pas réellement changé quelque chose Ça a changé au début, au début, oui, les femmes ne venaient pas, mais après, il y a eu des séances de sensibilisation. Nous avons expliqué aux femmes qu'en respectant les mesures barrières, qu'il n'y avait pratiquement pas de risque de contracter le virus. Alors donc, ce sont des dispositions qui ont été prises aujourd'hui avec la reprise des heures normales de travail. C'est des dispositions qui ont été prises bien avant la reprise. Donc, quand on a constaté, donc les rares femmes qui venaient, on leur expliquait de passer le message que c'est vrai que le virus est là, mais en respectant les mesures de barrière, déjà nous avons un dispositif de lavage des mains à l'entrée du service. Les femmes se lavent les mains en respectant la distanciation, euh, donc la distance de 1 mètre entre les femmes. Et au fur et à mesure, le message est passé. Nous-mêmes, nous sommes allés auprès de la population pour leur expliquer. À travers, nous avons des relais communautaires. Et avec le temps, elles ont compris, donc euh, la fréquentation, quand même, c'est bon. Donc aujourd'hui, on peut dire que euh, la COVID-19 est là, mais les, centres de santé, en l'occurrence la maternité, en tout cas, euh, connaît, je veux dire, euh, la normale. Oui, oui, oui, oui. C'est-à-dire, on est en train de vivre avec le virus. Elles ont compris. On respecte, on n'a pas de risque de l'attraper. Alors quand vous regardez ces femmes qui viennent, quand vous les entendez, vous êtes proche d'elles, est-ce que vous voyez une certaine inquiétude dans leur dans, euh, dans, leurs actes ou dans leur, qui se lit sur leur visage. Est-ce que vous-même, vous êtes aussi peut-être inquiète non, moi je suis agent de santé, inquiète. Je sais qu'en respectant les mesures, donc il n'y a pratiquement pas de souci. Bon, les femmes, non, maintenant, non, au, au début, si, elles ont peur. Sincèrement, au début, si, les gens ont peur avec tout ce qui s'est passé dans les médias, les réseaux sociaux, mais là, vraiment, ça va. Docteur, merci beaucoup. De rien, bonne journée, merci à vous. C'est bon Oui, c'est bon.